ايه لا تهزر اوزر لي اوزر لي وسي سي سي عمو ترجو ربيان تمسح مساج سبحان الله يسنو ايه الاجي الاجي اوزر لي الاجي وسي سي الاجي eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un Elle l'a dit, elle l'a dit. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Drapie! Drapie! Hein, elle a dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit. Drapie! Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla! Daïla! mọ́ni paranku yìí. ẹyin alaji alaji alaji alaji. are you playing what are you playing. oh my god. aujourd'hui aussi c'est c'est un autre jour. Subhanallah isanu. aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un autre jour. Très bien. Allergy. Allergy.